Mekano. Je suis ravi de vous retrouver ici au CES Paracano. vous bien oh Dans la fin d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plus ou moins Violence en milieu scolaire. C'est vrai, l'école est censée être wurin da in ka hankalin kai kamata ce ya kwanta. Amma yau a cikin l'école kin nan ne zaka ji abubuwa kala kala na hankali. Selon le rapport final de l'étude sur la prévalence et les causes des violences en milieu scolaire de 2017 au Niger, 48,1% des élèves ayant participé à l'enquête déclarent avoir été victimes de violences de la part de leurs enseignants. Kuma a cikin su kashi 50 da uku na 'yan wannan suka ce abokan su ne ma 'yan suke musguna musu wai mine ne ke faruwa cikin wannan lakwalkin me yasa rawata lakwalkin ta zama wurin tashin hankali kiye victim e ki aggress dan mu tantance komai muka dora wayar fara ta mu nan sai je vincent ko in ce sai square kano nor wannan hira ba mu iya ta babu mushika kun babu ai makaranta shi yasa muka gayyaci eh, muhammadu barmuraisha sava Tu es en terminale, c'est ça Richard parle fort. Terminal hmm, terminale là, terminale à la fois, parler fort. Hein. <laughs> c'est la parlotte là-bas. Nous avons également avec nous Ahmadou Hamaji, c'est ça non Issa, il est prof de philo. Vous le connaissez le professeur Oui. Il est bien Carrément. Nous avons également Monsieur Zakaria Lahabou, il est le surveillant. Vous le connaissez le surveillant Tout le monde connaît le surveillant. Tout le monde. Vous allez bien, monsieur Zakaria C'est le gendarme. <laughs> C'est le gendarme et le pompier en même temps. <laughs> C'est lui qu'on vient voir quand il y a un truc qui. <laughs> il contrôle la tenue. Autour de cette table, nous avons également Souley Moussa. Il est en classe de première A. Souley, ça va ah, ça va, tu vas bien. merci. Comme d'habitude, dans cette fada, nous aurons de la musique et la chronique d'Olivier, notre pro du web. an ku akwai wanda zai ce a cikin ku tun da ya sai e. kai a cikin mu duka zan tun da aka yi sai e, haka kare karatunka mu shabai bige ka ba ko bai mare ka ba ya fa no <laughs> Koda marine <laughs> Pourtant, depuis 2011 euh, au Niger, un code de l'enfance interdisant clairement toute punition corporelle a été rédigé. Ah, Mais amma har yanzu da kingi, tunda banda wannan ma bige-bigen har da wani fadace-fadace da zage-zage a tsakanin ku da kanku elef, eh, ku da kanku na zagin juna kuna bugun juna. Amma daga an ce violence en milieu scolaire wanda ake fara tunawa shine mu shana bugun elef. Eh, a gare? Ah, sosai mako. <laughs> Nous avons rencontré des parents, ils ont des questions pour vous les professeurs. cawandi kai waran mo waran gonna masala hankan sai wargo zan kai kardin waran mo war himga me war mu ci hankan sai wargo zan kai kar doran diga tonan kan zan ka asba balo korkoyan wato ga war mace war mor heno tonan di zan kan yangai da babai imama hankan masala kan sai wargo zan kai doran di kumu hayan oda ti metrai faman dir sai zam zan kai igi kar ni ada zan kai kala fo mu te bandi igi digi lamba lamba isba ekol ko yanyo im fat nyangai do nyangai mili ko kol visa afoya igi to gi kar isimaka ande ekolora ya cine wadi maga afon kalimte bandi ngano irga ba me tara fahaman se ifo seno igoga te zanka kun ji na uwayen abin da suke tambaya wai wani irin laihi ne diyan su suke yi ake basu kashi har yara ba su ta ekol barin hala gare ku monsieur zakariya larabu hmm. to kun na uwa uwayen Ces mamans demandent qu'est-ce que leurs enfants font pour être abassés jusqu'à ce qu'ils veulent même plus, plus du tout aller à l'école et qu'ils aient peur de leur professeurs. Ils ont dit qu'on est en train de les frapper. On ne les frappe pas, mais ça fait partie de l'éducation. Nous, nous avons fait l'école avant eux et on nous a frappés. Ça n'a pas empêché aujourd'hui que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Nous les frappons parce que ce sont nos enfants. Nous les frappons jusqu'à ce qu'ils puissent respecter les règles de, de, de, de la société. ne dan dai yaro ba iya barin shi abin da ya gara ma ko kun ji mu ko kuma ku gaya mana wai muke faruwa yanda yace haka nan ne sannan kuma ya kamata a ce uwaye su ma su ki ganewa mm. da su kan kansu a lokacin zamanin da aka yi suka yi lakwal su ma ba cikin irin ga zamani suke nan suna lakwal ba yau duk matsalar yau lakwal menene yaro in bai tsoron na gaban shi yaro in bai tsoron wanda ke koya mishi akwai matsala mai mm. abin da ni nake son a gane mu a cikin karatun mu filozofi muna hidin wasu abubuwa diya mun gano da cewa yaro duk inda yake ba ta yiwuwa ne a ce ba iya bugun shi don ni je suis même contre ce code de l'enfance la da ake ce a hidda wani bige-bige da wanga abu me akwai wani abu ba bugun ne ba an matsala ba a bugi mutum da a nemi menene ake so me in yaro bai san ba na gaban shi ka zo kana karantar suwa yana abun da ya ga ma kai mishi magana beji ai akwai wani lokaci yanzu yaro ya kai terminal bugun mi za ka mishi wanda ya kai warinka to yanzu dai kun ji mushanku na filozofi dabor hannu ke ba wa'annan elef da suke tare da mu a wannan tablikin zan ba ku parol yanzu kenan ina gane ku ba ku shi magana haka ne sai an bige ku aha an an muku magana ma kuna ji eh an ya dai to kenan me yasa shika suke bugun ku in kuna jin magana aha ga wani nan ga ga mu in shi an taɓa bugonka ka eh an taɓa bugona mi kai aka bige ka <laughs> abin nan sirve ne aka saka survey na aka saka ya yi sirve sai ya mm. saka sunana madan ta bige ni oh. ban yi komai bana don ina nan ga lakcin na bige ni <laughs> ba kai komai aka bige ka me a sunanka <laughs> ni ka Muktar Jibril sunan ka Jibril Abdullahi. Yanzu bancin wannan bugun da mushrika suke yi ku da kanku tsakaninku Elif eh, ba ku raga ma juna ba. Gashi an ce wannan an yi bugayya nan ga kai wata la raison pour laquelle certains élèves sont vraiment obligés d'amener des armes blanches dans l'établissement c'est que y en a vraiment physiquement ils peuvent pas se défendre parce que on est dans un établissement vraiment très grand en ce qui est de l'espace donc on y rencontre différentes personnes. Il y a des gens qui sont vraiment gabarits. il y a des gens que peut-être des gidansu ne des tashi da halin wanda ba Ils iya zama in ba hada ba akwai wanda zama in ba da shan ba wannan ko su da sauran mutanen ba su yi ma <clears throat> genre il faut que tu te défendes. Il faut que tu te défendes parce qu'il y a des élèves vraiment pour rien du tout, tu ne les plais pas, ils vont essayer de t'agresser. Ça arrive. Ah Tu, tu peux comprendre qu'à l'école tu aies besoin d'amener qu'à l'école, tu aies besoin d'amener une arme blanche pour te défendre. Oui, je me dis qu'à l'école, il y a même des sortes de gangs. gangs. Quand tu quand tu quand tu peux pas te défendre, on t'agresse physiquement et puis on te fait des menaces. Moi, présentement, là où je suis, j'en ai vécu jusqu'à ce que ma maman est venue, elle a parlé. Mais je me suis défendue moi-même. On, a voulu m'exclure de l'école parce que j'ai je me suis battue à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Moutane sous 10 et cikin que ils veulent ils veulent me tabasser moi à cause d'une histoire donc j'ai découvert qui a dit l'histoire et puis je suis partie la voir moi je l'ai étranglée jusqu'à ce qu'elle voulait mourir la provision attends attends sérieux tu as tu as étranglé quelqu'un oui. et ça s'est passé de la cour oui ma maman ma maman m'a gardé une semaine à la maison parce que sérieux je suis des fois violente quand je m'énerve mais là maintenant je fais plus ça parce qu'elle m'a parlé et tout maintenant je fais plus ça Là, ça va, tu t'es calmé là Parce que euh, moi-même, je commence à avoir peur. Là. Ah oui, il pas la <laughs> provoquer. hein. ne faut pas la provoquer celle-là. Non. Monsieur Zakaria, vous avez écouté <laughs> vos jeunes euh, élèves. On <clears throat> On comprend pas. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'il peut y avoir autant d'insécurité dans une école quoi Ça, c'est dit au comportement de nous les parents. Je dis comportement dit à nous les parents éduquons nos, enfants dans le mauvais sens. Parce que je ne peux pas comprendre un enfant bien éduqué ne peut même pas rentrer dans une école avec même une, lampe. Donc cela veut dire que ces genre d'enfants-là, c'est même à la maison, il faut voir dans quelle famille ils sont, sont, sortis. Il n'y a aucun dispositif. dispositif, ça incombe tout le monde, que ce soit nous les enseignants, les parents et, et même la société en tant que telle. Donc, amis de tout à la FADA, vous pouvez réagir et recevoir nos contenus en envoyant jeune au 80 06 88 à 54 de sur la La FADA c'est aussi de la musique et on va détendre l'atmosphère parce qu'il y a beaucoup de bagarreurs par là. On va écouter Flyboy euh, de Chris Daniel. Uh-huh. Are you okay? Are you okay? to my i for you. Are you okay? Are you okay? G25 de Niamey, CS Kwarakano. Nous parlons aujourd'hui de violence en milieu scolaire. À cette fois-là, nous sommes avec euh, Monsieur Zakaria Alarabou. Il est le surveillant. Le surveillant est a même pompier. Oui. <laughs> Et le gendarme aussi. Qui surveille la tenue. C'est ça, non Il veut la tenue. La tenue est quoi encore La discipline. La ah discipline. Il faut être carré, carré comme ça, non Il faut bien se comporter, c'est ça Nous sommes également avec euh, Reisha Mamadou, Terminal A. Reisha, elle est. Faut pas la taquiner. Elle, là, faut pas trop la provoquer. elle est Je commence déjà à avoir peur d'elle, moi. Ah oui Carrément. <laughs> Elle fait peur, Reisha. Nous sommes avec Hamadou euh, Hamaji Issa, il est prof de philo. Monsieur le professeur. Oui. Ça va Ça va. ok. Nous sommes avec Souley Moussa, il est en classe de première A. On a fait le tour là des causes de cette violence. Yanzu mai zancen musguna wanda moshushuka da 'yan makaranta suke ma juna koko Suma, m 'yan makarantar Sukoko su koko irin wanda 'yan makarantar Suma suke tsakanin Monsieur Ashanahima, Hima, il est le directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire. Il nous en dit plus sur les formes de violence de ke faruwa a cikin 40 Monsieur Mu Il y a les violences physiques les violences physiques ne sont liées aux châtiments corporels qui ont été interdits depuis, même si de temps en temps il arrive que des cas euh, se viennent et que ça a donné des fois lieu à des hauts débats et souvent à des procès au niveau de justice dû au fait que euh, les parents ne pouvaient pas comprendre et il y a un tollé ou un soulèvement où les parents ont tendance et même à se rendre justice quand cela arrive c'est qu'il faut déplorer M. des cas rares de manière à ce que chaque acteur comprenne que le châtiment corporel interdit, que la violence physique ou psychologique qui est exercée donc euh, par les enseignants sur les enfants parce qu'il y a aussi la violence psychologique qui consiste à intimider l'enfant, à le stigmatiser. C'est des formes donc de violence. Elle, ce n'est pas aussi permis d'un point de vue même euh, pédagogique. Il y a également les violences sur les enseignants des autres acteurs. Ça peut être les COGES, ça peut être les parents d'élèves avec qui donc ils sont. Et il y a une autre forme donc de violence qui est liée à l'environnement dans lequel l'école est implantée. Certaines écoles qui ne sont pas clôturées, même les personnes souvent euh, violentes ou les enfants enfants ou euh, les enseignants, ou des fois c'est même des vendeuses de nourriture, n'est-ce pas, donc qui rentrent un peu en conflit avec euh, l'administration. Vous venez d'écouter le directeur euh, des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire. Monsieur Zakaria, par rapport euh, aux formes de violence qu'on rencontre. Oui, c'est vrai ce qu'il vient de dire. Il y a tous ces genres de violence. Mais en réalité, moi, je dis violence physique. Moi, je ne dis pas violence physique, c'est que les gens sont en train de faire. Je ne dis pas que, parce que c'est même, tu trouves un enfant qui va te dire même chez lui, on ne l'insulte même pas. Alors qu'une société ne doit pas faire fi à, à sa culture. Quand tu fais fi à ta culture, tu ne peux pas, tu, tu, tu, vas déraper. Tu ne peux pas avoir ce que nous voulons comme résultat. parce que nous, on a pris, quand ton enfant insulte même euh, ton, ton frère, tu dois le bastonner pour qu'il puisse au moins respecter tout supérieur. Ah, <laughs> oh, mais tout supérieur. Mais si on amène, on met l'idée dans l'esprit des gens dire que quand tu insultes, même tu as violenté l'enfant, et c'est arrivé au moment où tu ne peux, même ton propre enfant peut dire qu'il va porter plainte contre toi parce que tu l'as insulté. Donc si je comprends bien, comment wannan tunda an ce ba a taba yaro ba a zagin shi ba a shi ku a gare ku kamar shine ma ke kara kawo wannan Oui, moi, c'est parce que nous avons abandonné notre culture. soleil. Euh, oui, exactement. Monsieur, il a vraiment raison, d'un côté. Tu es d'accord avec lui Clairement. Mais quand même, il y a quelque chose au fait que vraiment, il y a des jeunes que, yo, bah, dans zasu zo su ce ma mutane gidansu uwayensu ma ba su zagin su ba su bugun su. Yan ka jan ka diba kawai magana da yace yake. da ya sha idanuwan mutane gare tunda mu duka mun san uwa ta yi jima ɗanta ciwo mai kuma uwayen ma suna da layinsu Parce que pourquoi Il y a des enfants vraiment, elles sont insupportables, mais les parents n'arrivent pas à les corriger. Aujourd'hui, on ne peut pas te laisser vraiment vagabonder comme bon te semble et venir dire que. Kai abun da ka gada ma kwa. Abun da ka gada ma za ka ba ta yiwa. Dole sai an bige ka a jawo hankali. kin shurar wannan mushin abin ya gai kenan. les parents sont fautifs, mais à la maison, l'enfant a un comportement et à l'école, il a un comportement. Le parent, il ne peut pas suivre l'enfant à chaque fois, dire qu'il va le contrôler. L'enfant, par exemple, un enfant, il peut être bien éduqué à la maison, mais son comportement au-delà de la maison, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas savoir ce que l'enfant fait, donc il ne faut pas tout le temps accuser les parents, les élèves. garé qui... qui abin cikin ekol kin yake to environnement kin ekol kin nema ki kawo shi ton entourage entourage kin mushe to je entendu isa kun shi abin da ta gayi wannan ɗaliba ta ta ce gida daban ne kuma ekol in ka zo hallo wani abu ke faruwa can daban oui je suis d'accord avec elle d'un côté parce que l'être humain il peut changer à tout moment et il peut déguiser sa pensée yana iya kwatanta abubuwan da ke gwadi uwayen shi za su iya kallon shi kamar wanda kawai dan aljanna ne mai in ya hito da gida bai kama da wanda zai ta aljanna to mike kawo wannan mike kawo wannan abu kawai nan ne yana son ya trompan su ne in ya hita ya ta iskanci shi abin da ya ga dama mai in ya hita kin nan iskancin da yake yi abin da yake kawo wa hakanan saboda uwayen su ma ya kamata a yanda suke yi duk inda yake zuwa suna dibawa ya ne menene yake yi da shi da wa yake hita ekol hmm. ɗin in ya est eske na aiki eske na kawo kofi eske muka dawo muna verifiyan kayan shi sannan suna verifiyan osi eske verifie osi eh, le kaye yau a bincika même nous aujourd'hui qui sommes des fonctionnaires parfois nous n'arrivions difficilement que nous arrivions à contrôler ces cahiers là et aujourd'hui c'est un des problèmes majeurs le contrôle de l'enfant ce n'est pas seulement à la maison tu as l'obligation morale en tant que parent de le surveiller voilà <laughs> bai ta ba wala sannan su kuma faran ya kamata su gane wani bi in administration ta yi convoken su kar su zo su ta cewa a'a kama an yi ma yaran su injustice parce que effectivement l'enfant ya yi trompon su a can gida yana kwatanta musu shi na kwarai ne justement ba su ka irin wannan abin en avril dernier a tawa une enseignante a été tabassée par des parents d'élèves karin bayani cikin wannan rahoton na abdullahi ausuka à l'école Funku il y a eu un autre incident où des dames ont trouvé une enseignante dans l'exercice de ses fonctions où ils ont eu des échanges physiques. Dans quel état se trouve cette enseignante présentement Elle est démoralisée et elle a une santé affaiblie parce qu'il y a eu un constat qui a accompagné son dossier au niveau de la justice dans le protocole. Et on nous a fait comprendre que aussi à partir de l'incident qui s'est produit, qu'elle était en train de saigner. À quoi est lié ce saignement-là Donc c'est au docteur de définir les liaisons. Nous attendons de la justice tout ce que tout citoyen attendre la justice, rendre la justice, lire le droit. Hier, on les a appelés au niveau de la justice. Les deux dames seront poursuivies pour agression sur un agent de l'État dans son lieu de service. Zakaria Vous en connaissez-vous des cas comme ça aussi J'ai vécu même un cas avec une enseignante ah qui juste, euh, c'est lui-même qui a amené l'enfant dans l'école. L'enfant, il a commis une faute, donc il a, il a trouvé la directrice en train de les sanctionner. Hmm. Juste, il a mis la main sur l'enfant. Et maintenant, par après, ces parents sont partis, porter plainte contre cette enseignante qui a été enfermée pendant trois mois. Ici oh. à Niamey, ça s'est passé. École euh, Riyad. École Riyad, ça s'est passé. Je connais l'enseignante en question. Oui. Et juste, ils ont dit, ils l'ont tabassé, il a tabassé la femme, et l'enfant, et que l'enfant a eu un problème au niveau de lui Alors que par les constats de gens, c'est déjà quelqu'un qui a des problèmes. Il, il a même des problèmes. Mm-hmm. Tout ça je me suis dit que c'est parce qu'aujourd'hui l'enseignement est bafoué. Si quelqu'un qui donne de, connaissances à l'enfant, où vous allez écrire noir sur blanc pour dire que les châtiments corporels, le oh, corporel peut être interdit. Mais, si vous les vulgarisez, les enfants eux-mêmes attendent qu'on ne peut pas les toucher. Mais c'est un problème. Ça, va, ça va, amener le conflit Effectivement, entre les nous Parce que nous monsieur, vous êtes d'accord le fait que akati ce an hana ma buge-bugen shi ne ma yasa duka euh, yara masu ka idar kicewa me kuma yadda hidi ne yau on est dans un choc de civilisation harka mine ko wa al'adu ne harka al'adu ne mu cikin al'adun mu hakanin ne yake ba kamata ba a ce yaro ya san ga abun da ake iya mishi ga abun da ba iya mishi yaro on crée un misère en lui et c'est comme ça qu'on peut le dire har ya kai ya girma ya zamanto ya kamata Recha ah, bah, bah, bah, tu es d'accord avec ton tes professeurs là parce que ils disent que le fait que akati oui en partie et la partie dont tu n'es pas d'accord avec moi c'est a ganin mine ne ki <laughs> to ana l'enfant a ses droits moi si on me pose des choses je fais pas même si je le fais je le ferai pas bien mais si tu me parles calmement tu me mets dans le droit chemin je peux accepter mais là tu vas dire tu vas utiliser tu vas essayer de m'intimider ça ne passe pas, pas. sur les je ah, on peut rien lui tu, l'imposes, ça passe pas. Moi, je peux pas. es d'accord avec, t'es d'accord avec tes professeurs? Eh, voici ce qu'on peut te faire et ce qu'on doit pas te faire, qu'on ne peut même pas te faire. Hmm. Présenter qu'il a vraiment un pouvoir qui lui permet vraiment de faire ce qu'il veut. Maintenant, un élève qui sait qu'il ne peut pas être bafoué par un professeur, le professeur peut parler mille fois, il s'en fout, il sait qu'il ne va pas le toucher. Eh, bah, donc bah, du bah, coup, il a la conscience très calme. On va faire un autre tour en musique pour apaiser les tensions. Ah et calmez les esprits, je vous propose Good Morning de Hakim. Je sais que tu l'as réalisé, je suis pas dans la course, c'est pas le départ qui compte, mais l'arrivée. Good morning, people, good morning. Good morning, people, good morning. Good morning, people, good morning. Good morning, people, good morning. C'est de l'amour, moi et la Zikmi, on est mariés. Elle était là même quand j'avais perdu mes alliés. J'ai manié mes manières, j'oublie les allées. Y'a pas de jours férié, faut pas la comparer à Maria. Y a pas de gosse et ne pense pas à la maternité. Tu seras populaire, connu de toute l'humanité. Faut pas baisser les bras d'abord, il faudra essayer. Si tu fais charbonner, je vais t'aimer jusqu'à l'éternité. Tes ennemis, je vais les casser. Et ton chemin, je vais les tracer. Je vais te séparer de ces bâtards, à part toi, Bawani Cheye. Je suis vénère, plus comique que El Pololo. Ma et mes fans, c'est comme la Chine et puis le Bon, Très amis Bororo, c'est 2 2 y y'a trop de flow. Je rappe pas pour les gones, pour les mêmes, mais je les monopoles Gros dans ce game, y'a trop de fêlés, eux de fêlés. Faut pas bipper si tu n'as pas de quoi me rappeler. Tu veux te révéler, ah, tu veux tout révéler, ah. Gros, laisse-moi digérer, je fais beaucoup de boucherie. J'ai apporté la joie, j'ai apporté la haine, j'ai apporté la foi et puis j'ai apporté la guerre. Viens, on part à la guerre, moi je viens de Zender, je viens de là où même femmes et enfants n'ont pas connu la peur, négro. C'est de la vaillance, négro. On est des durs, tu sais. On m'a éduqué pour gouverner, mais pas pour, tu sais. Je suis mélancolique, je parle avec les cœurs. Et quand ça me dépasse, je fais un trait sur mes rancœurs. L'histoire c'est sans rancune, négro, mais écoute l'homme qui pleure. Je ressens la douleur et les larmes coulent à l'intérieur. Je fais le rappel afro, la con qui fait la rumba. Ils vont retenir mon message comme celui de Lumumba. La vie c'est trop bizarre, tu verras trop des gens t'aimer et puis te détester pour ton succès dans la seconde d'après. Viens, on fait du boucan, viens, on va faire du sale. Viens, on fait la folie, monter la tension maximale. C'est pour les battants, les braves et puis les barrasseurs. Diminue le volume si tu sais que t'es un paresseux. Et si je pars aux cieux, y aura des larmes aux yeux. Et y aura beaucoup qui diront qu'il était bon le monsieur. L'homme est un loup pour l'homme, et l'homme n'est rien sans les hommes. Tu sais, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. Kadena kankamba ya rozam na wuri guda. Da mune gobe kobe kamata ba. Ta tunda mazana daga me mere shan wuya. de da gobe sai ala mai hankali Kegane wa. Faut savoir que c'est bizarre, trop sur les réseaux. Y a que de la haine, du mépris et des sons faits maison. L'histoire me donne raison, je pète le score à chaque saison. Je contre la je suis number one comme Yiwarano. Moi, en journée, je ris, et puis la nuit, je pleure. Comme un camel, je m'arrache pour faire changer de couleur. Je veux le paradis, moi, mais je ne veux pas mourir. Et ne mentez pas à mon sujet juste après ma mort retour à la fada après cette pause musicale mu dawo fadar mu tawo da muka dora anan sai G25 nan ga kwance sai su kano inda muke hira tashi tashi hankalin da ake samu a cikin lakol wani bige bige da wani zage zage a tsakanin mushika da daliban nasu koko a tsakanin su ma daliban da kansu a fadar mu ta yau muna tare da Sulay Musa il est en classe de première A nous sommes également avec euh, Ahmadou Hamaji Issa il est professeur de philosophie Raisha Mahamadou elle est en terminale A Raisha oh là là Raisha elle fait peur <laughs> Zakaria monsieur Zakaria Larabou le surveillant. Tant Yanzou, les plaintes fusent de partout, Mungani. Maintenant, nous venons à la dernière question de cette émission. Tout le monde se plaint. Les responsabilités sont partagées. Mais franchement, qui agresse qui Qui est victime et qui est qui agresse Miki Harwa Monsieur Zakaria. Tout le monde est hein. Tout le monde est victime. Et à des degrés différents. Ah, ah. Nous, nous aujourd'hui, si les élèves disent qu'on est en train de les agresser, on peut, ils, ont raison. Mais nous aussi, ils sont en train de nous agresser. Parce que juste pour que. Ah, parce que juste tu veux mettre un peu de l'ordre pour qu'elles puissent être protégées par de, choses qui peuvent venir leur causer des problèmes. Certains t'insultent, certains te font n'importe quoi, certains même, ils peuvent même chercher à toucher la main sur toi. Hein. Oui, donc tu as vu, c'est aussi une agression. Et il y a des parents qui nous agressent. Il y a l'État aussi, parfois ils nous agressent. Oui, parce que tu, tu veux juste faire ce qu'ils t'ont dit de, faire parfois, mais si tu le fais, c'est un autre problème. Hmm. Ils vont dire, ah, ça là, c'est pas, c'est pas ça. Alors qu'en réalité, toi, tu cherches juste à appliquer la, la, règle ou le règlement intérieur. Merci, monsieur Zakaria. Alors, Soleil, dis-moi, qui agresse qui Je dirais plutôt que vraiment tout le monde est victime, hein. pratiquement tout le monde, parce que, bon, du, de ce qui concerne les professeurs, les professeurs, il y a beaucoup de professeurs qui se sentent vraiment pas en sécurité, notamment dans les classes il peut avoir vraiment des élèves très brutales, du moins, parce que le professeur, il est venu, il t'a parlé devant plus petit que toi. Et là, vraiment, ça te, ça te ronge. justement, il y a, une haine que tu ressens que vraiment, il t'a minimisé devant tes collègues, t'a minimisé. Or que pour toi, c'est ton honneur qui est là-bas. Maintenant, Recha, je reviens vers toi. Selon toi, c'est plus les filles, c'est plus les garçons ou c'est les professeurs Qui est plus agressé dans une école Par exemple, ici, c'est plus les filles ou les garçons Les élèves. Selon toi, c'est les élèves les élèves qui aiment à samari non il y a des agressions différentes vous allez vous battre il y a des professeurs qui disent ça non mais je peux pas comprendre tu vas dire à un élève de sortir vous allez vous battre mais attends a same su tana yiwa ba za a same su ba daidai na ce rawar yaro daidai rawa kenan mine ne aujourd'hui surtout dans les classes un peu supérieures je pense que on n'a même pas besoin de dire à un enfant tais-toi on n'a pas besoin de dire à un enfant fais ceci tu dois te référer à ta raison pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal ce qui est vrai et ce qui est faux ba sai an buga ba ba sai an hito ba ya kamata mu gane da tu ya kamata mu zanki rayuwa ba harka gabari bace ba harka kor a kor bace ba ba ka hada bace ba paske hada bai gyara komi bancin tension bancin matsala bancin pollution environnement to kuma an kun ga shi wannan mushe yace hada bai ya gyara komi avant de se dire bye bye et de dire bye bye au CG25 place à présent à la chronique d'Olivier notre produit web avec ses infos et ses bons conseils bonsoir à tous dans la chronique de ce samedi on va parler de solidarité à l'occasion du Forum de Paris sur l'appel le 12 novembre à l'Infoca sur RFI, avait reçu dans le cadre de l'émission Le débat africain trois présidents. Idriss Déby du Tchad. Si vous voulez qu'on sorte de cette situation, il faudra que l'Afrique aussi, n'est-ce pas, partage, participe à cette gouvernance mondiale. Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Nous devons en Afrique faire des efforts, nous surpasser. Et ça, je crois que c'est euh, dû au, peu d'éducation de, certaines de nos masses et à la pauvreté. Mahamadou Issoufou du Niger. La communauté internationale devrait se mobiliser autour de cette euh, préoccupation. Même chose quand on prend la MINUSMA, la mission de stabilisation euh, du Mali. On a demandé à ce qu'on change de mandat à la MINUSMA. Parce que pour l'instant, le mandat de la MINUSMA se limite à au maintien de la paix. Or, au, Nord Mali, il ne s'agit pas de maintenir la paix, il s'agit de faire la guerre contre le terrorisme. Et pour faire la guerre, il faut beaucoup plus de solidarité. Dans son intervention, le président nigérien a parlé de la solidarité, ce qui a suscité l'enthousiasme de certains internautes qui l'ont jugé convaincant. Je n'ai pas pu aller à la rencontre des personnes qui nous écoutent, mais c'est quoi la solidarité pour les Nigériens oui, effectivement, j'avais suivi l'interview de son Excellence, Monsieur le Président de la République. je pense qu'il parle de la solidarité, c'est-à-dire qu'il voulait faire référence à ce que les États puissent être soudés entre eux. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que le plus grand mot de l'Afrique, c'est ce manque de solidarité. La solidarité, selon moi, c'est une relation entre des personnes qui entraînent des obligations morales la solidarité, c'est un soutien, une, une collaboration gracieuse qui puisse exister entre les personnes. Et aussi entre les peuples. Merci à tous d'avoir répondu à travers notre numéro WhatsApp. Parlant de la guerre au Sahel ou bien parlant de la force conjointe du G5 Sahel, dans un rapport sur la situation au Sahel, le secrétaire général des Nations Unies pointe des chiffres choquants de victimes et de déplacés en forte progression depuis 2018. Chers amis, tenez-vous bien. La force conjointe du G5 Sahel compte 5000 militaires de Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et du Tchad chargés de lutter contre les djihadistes. Le rapport insiste, rien que depuis janvier, plus de 1500 civils ont été tués au Mali et au Burkina Faso. En outre, plus d'un million de personnes, deux fois plus que l'an dernier, ont été déplacées à l'intérieur des frontières des cinq pays considérés. Alors, on est tous d'accord que la solidarité entre États permettrait de surmonter les problèmes auxquels sont confrontés les pays africains. Amis jeunes, c'est la fin de la chronique de ce samedi. À demain et surtout, soyons solidaires. Merci beaucoup à Issa Lawali, grâce à, grâce à qui cette chronique a été réalisée. Bye bye. Merci pour l'accueil, merci pour vos riches interventions. C'est nous qui on vous remercions. On retient de cet échange que l'école n'est pas si sûre que ça et que les responsabilités sont partagées. Tout le monde soutien. Élève né, élève qu'on soutient, kané qui est exagéré. Comment on a un droit, un nom, un nom, un taskachi, ou aïma, à quoi les hinsu, à chikin wana, tache hankan hein, da aki nangayi, à chikin l'école. Sou kuma yaran, sou de kansu sungane qui wataran Donc, c'est la fin de tous à la fada de ce samedi. Merci à nos invités, merci à nos amis du CES. Quoi, Kano da Nuzafa accueilli gobe za ku haɗu tare da abokin aikina don da shi kuma zai yi zancen irin illolin da shi wannan tashi hankalin na cikin lakwal kuma an aka samu wannan faɗace-faɗacen wane ne ya kamata a ta gani n'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 pour recevoir nos émissions et tout le contenu. Je vous dis bye bye au CG25, bye bye. <laughs> On se retrouve dans une autre fada du samedi.